jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba.

Muna président Macky Sall ñëw Touba ah autoroute Touba ba Thiès Cheikh Abdoul Khadir a no ¿Lo no ¿Lo

yoonu sëriñ bi yegg si na yàlla nga yàgg mbakk téer baax na li may oto bi tuuti Donc le projet. Ce projet est coordonné. Donc, coordonné. Et après le salut, après le salut respectueux qu'il va faire à l'endroit du guide Sterling Chersi du il commencera à procéder au démarrage de cette cérémonie à la Nous rajo bi rajo bi. ndaw ndaw ndaw ñu ko wàññi ñu ko wàññi ndànk. yegg si na si dund bi liggéeyam ñu ànd ak jàmm rek. ndeysaan président yëg suma ñu ngi ànd ak jigéen ñoom nga xam ne jàmbaar la mësal fi borom bay yëg suma sëriñ bi sa doom yëg suma من سلم زبان ما يكسره وعين الايسر منك مين ملسه Kimdir Fırman'ı

et le président de la République, son Excellence, M. Manissal, en compagnie de son Excellence, M. l'ambassadeur de Chine, est en train de procéder au lancement. Nous assistons à la volonté des populations sera assurée par le coordonnateur Bon, Baki, Khalif Général, Dimanche Dimour, Nyanele, Nyan Nyan qui va paraître

ci euh, juma Touba dellu Dakar pour liggéey pour wane jëriñu autonomie. les représentants du Khalife général Serigne Mountakha en compagnie de Serigne Sidi Mbacké Cheikh Abdou Lahad et Serigne Bass Mbacké. nous le laissons saluer à travers le président de la République. léegi.

dans le cadre du plan Sénégal émergent pour soutenir la politique de croissance économique. Le président de la République a l'ambition de doter le territoire d'un réseau autoroutier moderne. La construction de l'autoroute Ila Touba s'inscrit dans ce cadre afin de stimuler la création des richesses au bénéfice des populations. Le secteur routier constitue un axe majeur du plan Sénégal émergent, non seulement du fait de son rôle économique, mais également social. Le lancement des travaux de l'autoroute Ila-Touba, qui s'étend de Thiès à Touba, restera une date historique dans les annales du Sénégal sous l'ère de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. nous avons en projet trois branches d'autoroute essentielles pour le développement économique et social de notre pays. Il s'agit du tronçon Djamnadio Thiès Touba. Le second tronçon, c'est Thiès Tivaouane Saint-Louis et enfin Mbour Fatih Kaolack comme troisième branche d'autoroute. L'autoroute Ila Touba s'étend de Thiès à Touba elle relie des villes importantes telles que Thiès, Djurbel, Mbaké, Touba. Ce projet a été financé par la République populaire de Chine à travers Exim Bank et l'État du Sénégal. La durée d'exécution des travaux est de 45 mois avec une longueur d'environ 115 km. C'est une autoroute bidirectionnelle à quatre voies et une vitesse maximale de 130 km heure. Il est prévu 20 passerelles pour les piétons et véhicules non motorisés, deux postes de payage, pleine voie et quatre postes de payage sur les bretelles d'insertion et de sortie de l'autoroute de Thiès à Touba. Six échangeurs de différents types sont prévus. 6 passages inférieurs, 19 passages supérieurs. L'échangeur Thiès Sud se trouve au niveau de l'intersection avec la route de Singa. L'échangeur Thiès est prévu à l'intersection de la RN3 pour faciliter l'accès et la sortie des véhicules. À l'est de l'échangeur, au niveau de Thiès Sud, il est prévu une gare de péage. Après avoir traversé le chemin de fer, le tracé continue vers l'est un autre échangeur est mis en place à l'intersection avec la RN3 au niveau de Pambay, où une aire de service et de repos seront construites. Au niveau de Durbel, le troisième échangeur va favoriser la sortie et l'entrée des véhicules. La route projetée continue vers l'est comme en arc-en-ciel jusqu'à Touba. Après la gare de péage aménagée sur l'autoroute à l'ouest de Touba, un autre échangeur est prévu à l'intersection avec la route de Ngabo-Touba pour les véhicules qui vont à Touba. Cette autoroute est la première phase de la route d'interconnexion Thiès-Touba-Bakel, avec les trois corridors suivants Nouakchott, Thiès, Dakar, Tamba, Kidira, Bakel, Bakel, Rosso. La mise en œuvre fait un pas important vers la réalisation de l'autoroute Ila-Touba. Des audiences publiques ont eu lieu dans les différents départements traversés par l'autoroute. Les craintes des populations ont été dissipées. L'autoroute Ila-Touba va faciliter le déplacement des populations, éliminer les embouteillages lors des grands événements religieux, promouvoir le développement de grandes villes économiques et le développement du tourisme. Cette autoroute sera le passage le plus rapide et le plus important pour l'acheminement des produits agricoles à l'intérieur du pays et la distribution des marchandises dans la sous-région. Elle sera le cordon ombilical entre le nord et le sud, l'est et l'ouest du Sénégal. L'entreprise chinoise CRBC va travailler avec la partie sénégalaise et contribuer à la réalisation d'une infrastructure aux normes internationales avec toutes les commodités requises et approfondir les relations entre la République populaire de Chine et la République du Sénégal. Merci. le Président, ñoo ngi nuyu bokkam yi nga xam ne ñoom la fi àndal teew fii tey muy njaboot ak Serigne Touba gi yépp ñi nga xam ne yàlla dogal nañu ànd ak moom di ay bokkam ñëw fii ci jataay bi di nuyu kilifa yi nga xam ne ñi ngi fi di jiital ci nuyo bi président Macky Sall président de la République ak premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne ak ministère de l'intérieur bi nga xam ne moom la àndal di nuyu président conseil économique ak social Aminata Tall ak membre de gouvernement bi yëpp di nuyu population de Bawal di nuyu taalibe Sëñ Tuubaa yi nga xam ne yëpp teew nañ fi di nuyu seex yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba di ay jawrinam ànd ak jawrinam yi tey teew fi teewaay bu rafet bi di bépp taalibe boo xam ne wuy si nga wooteeb xalif général des mourides bi ci lii nga xam ne liggéeyal ko Sëñ rek moo ko moo ko ci duwal kon bu dee teraanga ju tol nii mu jël ko xelam daj réew mi ak bët li mu bëgg a liggéeyal réew mi waaye mu xool route nationale numéro un route nationale numéro deux route nationale numéro trois mu xam volume de circulation bi nekk ci route national numéro 3 mu xaalaat ne teraanga ji nga xam ne yéene na ko Serigne Touba yéene na ko xalif général des Mourides yéene na ko yoonu Mouride yéene na ko Bawal waaye yéene na ko senegal gépp mu jële ko Thiès def ko Ila Touba muy teraanga joo xam ne defal nga ko xaadimu rasool te ku liggéeyal sëñ Tuubaa na xel dal ndax ko am pay la te sëñ Tuubaa kum fay nga rus kon nag yàlla na la sëñ Tuubaa fay ñu di la ci sant di la ci gërëm ndax waruma fi wax ndax sama am naa ci tënk ndax sama kilifa yi ci sama gannaaw ku ñu nekk ci sa gannaaw tënk di taalibe say wax dana tënku maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bépp ku ñu invité woon te nga ñëw fii sant nañ leen ci turu xalif sanal de Mouride ci turu porte parole Cheikh Bass Abdou Khadir ci turu jawriñ ji Serigne Mountakha ak njabootu Serigne Touba gi fi teew yëpp alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lin muy solo wax si ba tax ñu taxaw fii tey di autoroute bi nga xam ne nii moom la ñu tuddee dippee ko autoroute ila touba man day bala may xuus ci wax ji damay santaat sëriñ touba bu baax ndax moom rek laa yaakaar mbir mii ba muy door président Macky Sall am kóolute denk ma département bi nga xam ne nii moom moo yoroon wàllu liggéey bi ma ñëw ñu toog ci biir waxtaan mu ne ma am naa soxla am naa yéene te ci fii nga nekk yéene bi mooy autoroute bi nga xam ne nii dafa jëm Touba ak yeneen i liggéey ma sawar ca lool yàlla def dimbali ma ci kóoluteeg président de la république Macky sal ba ma signé MOU marché bi autoroute bii ñuy réaliser tey kon defe naa ne ak cant la ci man ngërëm la ci man waaye tamit ma njukkalaat président de la république mi nga xam ne may na ma kàttan man-man ba ma jëf ci lu jëm ci yoonu Touba waaye kéemaan yi dafa bari ndax ñun murit xam nañ bu baax bu leer ne sëriñ Moodu Moustapha mi nga xam ne moom moo jiitu ci yoon mi nekk fi xalif ginnaaw ba nga xamee ne sunu yaakaar sunu ndëslaay jën na naalam bu jëkk ci ay liggéey yu mat moo doon indi raay bi fii ci tuubaa mu jafe woon lool ndax tubaab yi bañoo xamee ne nii ñoom mënuñu koo bañal loolu dañ koo jox ab diir bu gàtt waaye nag boobu xamuñu woon ne diir bañ koy jox Sëriñ Tuubaa lañ ko jox mu wuti taalibe yi dooley taalibe yi ak ndimalal sëriñ bi defe naa ne raay bi kenn waxatu ko tey kon defe naa ne bu ñu demee ba nga xam ne nii ka nekkoon njëkkoon a nekk xalif général tey doon doom tey ab sët nekk fi nekk juróom-ñaareel gouverneur de moo autorisé woon loolu tey monsieur le président de la république Macky Sall gouverneur yaa ngi sa naaw yow yaay président de la république andil Touba loo xam ne ni taalibe yi du ñu ko jëf askan murit ak yoon wi la nga xam ne ni mooy seen doole xëy na mën nañ ko de waaye sa yéene sa pas-pas moo tax nga def li nga def yàlla na sëñ Touba fayal boppam daje bi day sàll wax dëgg yàlla ñun bëgg nañ ci lool ndax mënoon naa dal ci keneen waaye nag yàlla moom mooy bind di tànn te tànneef gi mu tànn tey autoroute bi moom yaa koy indi Touba incha allah kon jërëjëf mag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ci nga xam ne nii xëy na ñoom i bu yoon wi bu leen mayoon daañu fi ñëw jël wa kàddu wax waaye dafa naa ne waxaal naa leen leen santaale naa leen ñoo ngi sant gërëm di jéggulu jërë jëf jërë jëf wasalaam. Vous Ahmed les sentiments de corps diplomatiques accrédités au Sénégal par rapport à cette initiative et cette magnifique œuvre que vous êtes en train d'entreprendre. Monsieur le Président, avez-vous la sécurité que parmi les corps diplomatiques On partage votre sentiment assez cohérent, assez diffusé pour faire connaître les capacités de votre pays pour arriver à la voie vers le développement que vous-même avez conçu. Pour nous, cet, cet ouvrage structurant, c'est justement une voie pour arriver à rassembler toute la force productive qui existe aussi au Sénégal. Couragez vous, Monsieur le Président, que le corps diplomatique vous accompagne dans votre effort pour la construction d'un avenir meilleur pour le peuple du Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Messieurs les ministres, mes chers amis, mes chers collègues, membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, qualités et respectifs, bonjour. Monsieur le Président, après avoir écouté tous les intervenants qui m'ont précédé, je pense qu'il n'y a plus la peine de revenir sur l'importance de ce projet de l'autoroute Thiès-Touba parce que à travers les populations qui se sont réunies aujourd'hui, je suis mieux conscient de l'impatience des autorités sénégalaises compétentes et de celle des populations locales. Soyez assurés Monsieur le Président de la République, que la Chine est disposée à vous accompagner, à réaliser, à traduire en action le plan Sénégal émergent en général et en particulier les infrastructures qui seraient indispensables pour assurer un bon enchaînement de tous les autres projets de ce plan. Nous sommes au début d'une année, année 2015. Je pense que c'est une occasion de revenir et de faire un bilan sur l'état des lieux de la coopération internationale en général et surtout de la coopération sino-sénégalaise. Car l'année qui s'est écoulée, l'année 2014, a commencé par une visite d'État historique que vous avez effectuée en réponse à l'invitation de votre homologue chinois d'une visite pleinement réussi, au cours de laquelle vous êtes arrivé à un accord parfait avec votre homologue chinois sur les perspectives des relations politiques entre nos deux pays et surtout sur les efforts qui sont toujours en cours. J'espère bien que grâce aux efforts conjugués de part et d'autre, que l'année 2015 sera une année de fruits et de récoltes. Soyez assurés que de notre côté, c'est une volonté forte de contribuer à l'approfondissement continu de la confiance politique entre nos deux pays c'est aussi une volonté forte de travailler la main dans la main avec nos amis sénégalais pour concrétiser tous les projets qui répondraient à nos attentes. Monsieur le Président, soyez assurés que la, une pleine collaboration de l'ambassade de Chine à Dakar, une bonne collaboration de mes proches collaborateurs à l'ambassade serait au rendez-vous. Nous sommes avec vous et nous serons disposés à vous accompagner dans tous les efforts pour assurer le développement ultérieur, le développement socio-économique de ce pays. Pour terminer, je souhaite bon succès à ce projet de l'autoroute Thiès-Touba et bon succès à tous les projets qui seront lancés dans le cadre de la coopération internationale, dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise. Vive l'amitié sino-sénégalaise, vive la coopération internationale. Je vous remercie. mboolem njabootu sëriñ Touba gi ñëpp ñëw nañ wuy si njaboot gi mboolem mbokk yi yi nga xam ne mbokki sëriñ bi lañ mboolem seexi sëriñ Touba yëpp itam dikki nañ wuy si woote sëriñ bi mboolem taalibe yi yëpp itam dégg nañ woote bi nga xam ne sëriñ Mountakha woote woon ko ci ndigalu sëriñ bi kon nee na sëriñ bi neen mi ngi sant ñëpp mu ngi duy ñëpp di sant ñëpp di rafetlu itam liggéey bii muy tegu xeer wi jëkk ci autoroute tuuba Thiès te sëriñ bi ci boppam defal ko boppam ci loxoy boppam loxoom yu teddee ànd ko ak président de république kon yàlla àgg ak jàmm ba ñu ubbiwaat ko ni ñu ko tàmbalee ci barke Serigne Touba. ñu barkeeloo ko it ca na ko Serigne Touba defe woon ca loxoom yu tedd yi ca njaareem ba muy teg xeeru jumaa ja ba mu yëkkatee loxom yu tedd ya dafa wax ne wa is yarfacu ibrahimu alqawaacida min albayt wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiu alalim waaye mu duñu fàttali itam cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo njëkk wóotu Serigne Touba bu ñu teg xeer wi jëkki ci raay bi diggante njaarim ak Touba àndoon ko ak rakkam yu tedd ya di cheikh Mouhamadou Fadil cheikh Mouhamadul Amin ak cheikh Mouhamadou Bachir ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp ñoom la ko àndaloon. kon président Serigne bi nee na mi ngi lay santu bu baax te di la gërëm ci yéenu jëre jii nga xam ne tàmbali ko ci dëkk bi mooy liggéey autoroute bi di ñaan suñu borom àggale ko ci jàmm te ngeen xam ne te taxawu askan wi ba ñu nekk ci jàmm seenu nekkin rafet ci ki kifaay yi la bokk. مرخ سن بروم وخشي القران هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها لولا لا سن بروم ديفالون وا قريش وا مكه باتخ منالين فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف توبا نك كير لا دو اب دك سيرين توبا تديكو غرب غتي الجنه مو نيك غرب غو خامني اي بانخاسام لاونا ادنا سيب meññatam ak kepparam yaatu na ci ñëpp kon ndam la akub sag ñeel Sénégal gépp muy loo xam ne Serigne Touba ñaan na ko boromam ba mu may ko ko kon lépp lu sotti la ba noppi ni mu ko waxoon Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké nekko ko fii ba àdduna di tukki de mboolem lu ma yéene ci yoon bi rek def naa ko. maa ngi mel ne rab bi nga xam ne dafa defar ay soru ay ay ay ay ay ay soru yéeram denc ko. lu jot a lu mat a génn rek bu waxtoo jotee ma génn ko ñëpp ne ana ne woon waaye sëñ Tuubaa noppoon na ci lépp wax waxoon na it ne ca njaareem la ma sunu borom wane li nar a xew sama ginnaaw ba mu fàgg ko lépp moo tax dara luy nu luy nuru aafatu ak kadru du am mukk ci yoonam moo tax bi muy sanc dëkk bi dafa wax ne ñaara tax ma sañc ko daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi mu ne bi ma fi ñëw itam ñaar rek laa fekk saawooy nag ak windew pël loolu mooy fekku fi kenn mu taalif xasida ak matlabul foo sëñ mu nekk li ngeen di tuddee pendant directeur bu Touba te booba sëriñ bi mi ngi ci ron mbaarum gattax mu jàkkaarloo suñu borom di ko wax ne wajibu lahal xayra min al jihaati as sitti wakfiha an il afati loolu bokk na ci li indi autoroute bi tey ngir bañ kenn di loru ci moom it tax mu ñaan suñu borom ne ko فكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما كيف كو خامني غاني نما ولا موخ مولو جادوت يا سوني بور ماغلي نيار غاماي كو اكتوب بامو جيغلو فكل من اساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي كيف كو خاني نياونو نجورت سي مان تام نغا ولبت خولم بل نجورت لام دون نياو سي مان مو داني مو اندلو نك مشروع الفوزيني موي فوسو الانسان في الدنيا وفوسو في الاخره موي تخك ادنا اك الاخره تا لول موي لي ادنا سيب دي وور تا موي بن دك بو خامني بروم مي ميكو سانتي ميساج بي موي جوخي موي سلال اك خيتي لي ادنا سيب تي كريس بي ني تودي الاطروحات الغربيه تا موي دوكترين مودرنيتي والاجتماعيه اك سيكولوجيك والعالم اك لي نغي تودي مونجاليزاسيون وتحريب ak occidentalisation Serigne Touba musal ñu ci loolu lépp andi nu lu bees muy mashruul fawsayni mu andi njub ak texe ak mbax jëme ko ci aduna bépp motax Serigne Touba waxon na ne ñaara fi nek abdan ataynahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman ak inna makkannaa lahu fi l ardi wa aataynaahu min kulli cheyin sababan te mooy ji nga xam suñu borom da ko jox jaam bu ko déggal te sopp ko liggéeyal ko ak doole ji nga xam ne moom la jox nguur tubaab bi indi démocratie ngir mu wóotu loolu doole suñu borom ji muy jox jaamam bu mu gërëm démocratie nag dafa soppilu carte électeur li ko politicien bi di jaay ci programme am bu ko ko joxee mu soppil ko lu waay te mën na caa bañ a bàyyi xel ni suñu borom digle walla ni nature bi tëdde sëriñ Touba nag dafa waxoon ne tubaab yi day damay njëkkante ñoom képp koo xam ne nopp nañ ci moom ñàkk naa ko ba faw képp ko xam ne njëkk naa leen ci moom itam ñàkk nañ ko ba faw waxit ne seenu doxin de mooy bu dara nee ñuux ñuux ci ab ñag dañuy seet ca mbooloo ma ke ci ëpp fit gën caa gàttum xel ñu yabal ko bu loola demee bu jëflanteeg moom bu ko notee bu ko notee ñu nëbb ko féetoo ndam la bu ko loola notee nag ñu xëpp ko toroy bi mu indil nu loo xam nag miinisu ko ndax nee na li muy ñaanal ñi gëm yàlla te aju ci moom moom lay ñaanal ñi gëm yàlla te ajuwuñu ci moom boobu taxawaay moom la kilifa réew mi aare woon réew mi ba tax na juyoo yu néew yi am ci biir tarixa yi mosula yàq dara ndax ku ne da dangaa war maalal sa morom la mu gëm ginnaaw boo jàppee li gën a dal sa xel te suñu borom dafa wax ne jàmbu sax ci samay digal te farlu danaa la teg ci yoon wa wa dëppoo sa mbir wala si ne jaahadoo fii naa landahdiyannahum subulana al imaamu shafii dafa wax ne ku ne lamu set ba mu doy ko ba mu jàpp ne ba mu jàpp ko ne moy deug bu mu jàpp ko ne keneen lamu jàpp du deug loolu moo ak mando ra'yi sawabun yahtamilu khata wa ra'yu khayri khata'un yahmilu sawab seyn Tuubaa dafa wax ci nahjul qada'ij ne bo beugé mucc ci làmmiñi nit ñi da ngay fexe ba salam ba salam mucc ci mom ci ñom ndax ni nga amé ay sikki ni lañu amé ay وإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها فلا tabsuri yaa aynu linnaasi aynu te lu baax aku yiw moom la ñuy rawante waaye safaan ba kenn du ci ëppalante kenn du ci rawante te rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ab jullit dëgg mooy ci mbokkum jullitam yépp mucc ci loxoom ak làmmiñam rawatina li jëm ci pas-pasum nit te yaakaari mbooloo kenn du ko kafe ndax tariixa bu ne am nga say ma baadi yu ko fonde yu wóor yoo xam ne bu doyul sa morom it yow fu wér nga ko teg kon yàlla na nu dégg aaya bii te jëfe ko ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan waaye waxante lu ñaaw ak i sikki loolu du yóbbu fenn am réew Sëriñ Tuubaa nag Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa waxoon ne dafa waxoon ne ñi ñëw ci man ñaari ñaari ñaar ñaari xeet rekk la ki nga xam ne adduna rek ko andi ak ki nga xam ne àllaaxira rek ko andi nee na ki nga xam ne adduna rek ko andi yàlla sunu boom jox na ba mu doy sëkk te doyoo mu ko dara kon nag ku agsi ma jox la ko ki nga xam ne nag àllaaxiraa ko tax a jóg la nga fa bëgg mënal naa la ko te dinaa la ko defal moo tax mu wax ne mu ne ki ma jaaxal daal. moo tax mu wax ne man waasala nii laa li xaaradin dun yow yi فإنه يكون من المخربين وأن من واصلني للدنيا فقط فإن الله يكرمه ما دام حيا سرين توبا وخنا إذ الحسود ليس سنتفاع بفضل من عاصر باتباع نانا كي أنيان دو جارينيو سي كيم جامانونتل ndax kañaan nga day mur ay bëtam du gis dara cheikh mohammed fadil nak newon na touba dis fi jema defar ba defaro fi way dis fi sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye bokk ci ñi njëkk a topp sëriñ Touba dafa waxoon ne war ma ñett la war ma sa digg sa borom war ma sa digg sa mbokkum jullit war ma sa digg ñi nga bokkalut dara te mooy ñi nga bokkalut diine nee na war ma sa digg sa borom mooy lu mu digle nga def ko lu mu tere nga bàyyi ko lu mu dogal ci yow na la neex nee boo ko defee wàcce nga ak sa borom nee na war ma sa digg sa mbokkum jullit nee mooy ngeen bokk yéene bokk bëgg-bëgg bokki pexe bokk lu ngeen am nee na war ma sa digg ki nga bokkul dara nag muy sab jàmbur nee na bu ko bu ko tooñ bu ko xeeb bu ko yab boo ko defee rek danga nga jubóog ñëpp moo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al jamaatu rahma mbooloo ci la suñu borom di wàcc yéen maa dem moo tax suñu borom itam di ñu wattandiku ak wattandiku ak tàqaliku moo tax muy wax ne waskuru nicmatallahi aleykum is kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nihmati ixwanan wa kuntum xala safa xufratin min anneeri fa anqasakum minha lii lanu sëriñ tubaa jàngal te duñ ko wàcc mukk ndax amuñu soxla ciy wax yàlla du fay jëf mukk bàyyi ay wax alkilaabu tanbaxu walqaafilatu tasiru te duñu wax mukkit lu ñaaw ndax suñ borom dañoo digal ne wa xooloo linnaasi xusnan rasulullahi dellu tegaat ci ne man kaana yoominu billaahi wal yawmil aaxiri fal yaxul xayran aw liyasmut mbirum sëñ Tuubaa nag dafa mel ne jant mu nekk ci digg digg njolloor képp koo xam ne lank nga ne doo ko gis du wàññi dara ci leeraayu jant bi wa samsu ur adda duha fi l ufqi taaliatun an laa yara daw aha man lay sosa basri sëriñ Tuubaa nag sahar la goo xam ne taxawul day dem ku dugg mu yóbbaale la lu taxaw ci kanam mu jaar ci sa kaw jàll faggul nanu fag fagul fagul nanu lo xam itam ba àddunay tukki fépp ab taalibeem nekkee nit ñi dañ koy ñee te loolu moo bindal boppam wax ne wa habli kulli man axasa wirdi وكل من تعلق بأزيالي maa yaxbituhu xayruhu min ahli asrihi amin ya rabbil alamin ni ko mu bind woon wax ne kataballaahu tabaraka wa taala anna dawlatan nasara intaxalat huna te loolu moo di dafa bindoon xamle ne tubaab yi di colonialiste yi danañ bàyyi ko fii ci senegal mu nekk ci yeneen loxo ba ko bindee nag loolu dafa duggoon ci wa allamnaahu min ladunna ilman te booba ña fi nekkaloon tubaab yi di gàllankoor mbirum sëriñ Tuubaa te amuñ ba dañu doon wax nit ñi di leen bind ay leetar di leen wax ne leen ñi leen di wax ay wax di leen wax ne sëriñ di leen di leen wax ne tubaab bi danañ jóge fii ci Sénégal nañ leen xam ne loolee kat ad xaasu alamin la kon nag ñooña histoire at na leen seen digg ak sëriñ Touba moo tax Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké dafa toog fii ci Daarul Xudóos ci néegum ñax ay sàkkeeti xet wër ko am kenn ku yëkkati wenn bayit wa shaal bihi daariya kal madina barakatan wal wal kaabatal masuuna am ku ne teg mu ne ko mbaadu doon koy sikk sakka kooku ne cell mu ne ko man de li ma Sëriñ Tuubaa wax ma teg ci saa bët li ma Sëriñ Tuubaa wax ma teg ci sama bët lim ma wax te gisaguma ko la gën a gëm ne ko bu ma yoroon kaasu kafe mu wóor ma ne lii kaasu kafe la ba nattabliwuma ko la ma Sëriñ Tuubaa wax te gisaguma ko moom la gën a gëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Mbakke taalibe yi seen xol sedd na taalibe yi seen xol sedd na président xolam sedd na jërë ngeen jëf jërë jëf jërë jëf jërë jëf ak dégloo Thiès benn dëkk ñaari gaar Thiénaba dëkku diina mbool dëkk bu ñu ràññee lool laata mu yegg si Bambey daal di jaar Njaareem romb Mbàkke daal nag egsi ca Touba dëkk bu sell bi téeméer ak fukk ak juróomi kilomètre li nekk lu rëy ñaari yoon ñaari xàll ñu daldi koy wax ci nasaraan deux fois deux voies woto yi mën cee daw ci anam yu baax loolee kon ñu war cee bàyyi xel rawatina nag ci mbirum kaaraange yoon bi dem bi ak dikk bi ndax nag benn gàllankoor dootu ci amati. autoroute bi ma nga tàmbalee ca sowu Thiès ñu daal koy lëkkaleeg autoroute Dakar Thiès benn échangeur ñu ngi koy amal ci diwaanu Thiès ca sow ga gare péage bi ñuy njëkk a gis ñu ngi koy gis ca penku Thiès. Sëriñ Muntaxa Basiru mbake maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziyaara di ko teg ci say loxo yu tedd ànd si ak say rakk yi fi nekk Sëriñ Sidi Abdou Lahad Mbakke Serigne Cheikh Say Souhaïbou Mbacké Serigne Mamor Mourtala Serigne Cheikh Mbacké Ibnu Abdou Khadr Serigne Mourtala Falilou Serigne Dame Atta Serigne Cheikh Mbacké Darou Rahman ànd si itam ak sa rak le porte-parole sëñ Bassirou Abdou Khadr sëñ Abdou Fatah Gaynde Fatma sëñ Cheikh Saliou Mbacké sëñ Cheikh Ahmadou Makhtar bu Daaru Khoudoos ak mbooleem njabootu Serigne Touba yi fi teew yëkkati nañu nuyoo boobu ak ziyaara jëmale ko ci xalif général sëñ Sidi Makhtar Mbacké yal na fi yàgg te ànd ak di ko gërëm lool di ko sant lool itam ci teewaayam fii tey ci suba ngir teg xeer bi jiitu ci liggéey bu yaatu bi ñu yëkkati jagleel ko dëkku Sëriñ Tuuba bi di Tuuba danaa si ñëwaat ci ay kàllaama wolof waaye dafa am lu nga xam ne faaw waxtaan ko ak réew mi jëmale ko ci taxawaay yi ñu yëkkati muy ay taxawaay yu jëmale Sénégal kanam ñu tuddee ko plan Sénégal émergent te ci loolu lañu sumb autoroute bi di ilaa Touba Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés et membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les gouverneurs des régions de Djurbel et de Thiès, Madame, Messieurs les présidents du conseil départemental, Messieurs les maires, autorités administratives, religieuses et coutumières, chères populations du Baol, du Cayor, je voudrais d'abord saluer dans la ferveur et la joie partagée le vénérable une Cher Sidi Mortar Mbake, calife général de Mourid. Dieu réponde sur lui et sur sa famille, ses bienfaits, chaque jour et toujours. en ce moment même, guidé par la foi et fort des prières de nos prestigieux guides religieux, le Sénégal franchit un nouveau pas décisif vers son émergence. Je remercie le Khalif général du fond du cœur et lui exprime ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et la mobilisation exceptionnelle dans la ville sainte de Touba aujourd'hui. Il me revient à l'esprit ces paroles du vénéré cher Ahmadou Bamba qui priait le Seigneur de faire affluer tout ce qui est bien-être et bienfait vers sa demeure, la cité bénite de Touba. Voilà que, par la grâce d'Allah, nous sommes réunis ici pour procéder au lancement officiel des travaux de l'autoroute Thiès-Touba que j'ai dénommée Ilat-Touba. Nous avons bénéficié de la bénédiction de Sérine Cher Sidi Mortar Mbake pour tenir cette cérémonie. Je suis sûr que ces prières nous accompagnerons jusqu'à la réalisation complète de ce projet grandiose pour la prospérité de notre pays. Je vous remercie encore une fois, chère population du Cayor, du Baol, du Sine et du Saloum, pour votre présence massive. Cette présence témoigne de votre adhésion à ce projet. Elle exprime vos attentes légitimes quant à ses impacts positifs sur votre vécu quotidien. Elle traduit enfin nos aspirations communes à un Sénégal meilleur pour tous. Nous posons aujourd'hui un jalon particulièrement important du plan Sénégal émergent. Jamais dans l'histoire des nations, il n'y a eu de développement sans infrastructure qui permettent la mobilité des personnes ainsi que le commerce des biens et des services. Je rappelle que l'un des objectifs stratégiques du plan Sénégal émergent est de doter notre pays d'infrastructures de qualité qui relient nos terroirs valorisent leur potentialité, stimule la croissance et favorise notre développement économique et social. La finalité du PSE est de bâtir un réseau interconnecté sur l'ensemble du territoire pour créer une dynamique de pôles d'attractivité économique, agropastorale, minière touristiques et halieutiques, de désenclaver les zones à forte potentialité économique et faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base, comme l'école et les structures de santé. Il s'agit de renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'économie nationale, ainsi que son ouverture au marché sous régional et aux échanges avec l'extérieur. Enfin, il s'agit de définir une meilleure politique d'entretien pour que le patrimoine routier garde un niveau de qualité durable et compatible avec l'intensité du trafic. Je suis très heureux donc de jeter les bases de ce projet routier le plus grand de notre histoire dans le cadre du PSE. En reliant Dakar, Thiès et Touba aux autres régions du Sénégal. Cette infrastructure longue de 113 km remplira une vocation multidimensionnelle. Elle sera un instrument d'intégration nationale un outil de développement économique et social et un facteur de réduction du temps de trafic et de sécurisation du transport. Touba participera ainsi à la densification du réseau routier national, déjà enrichi de la route Linger-Matam, de l'axe Touba Dara Linger, dont les travaux vont démarrer bientôt. En facilitant la connexion avec d'autres axes routiers, ce projet suscitera l'émergence de nouvelles zones de production et d'activités économiques diverses. Voilà pourquoi il a nécessité des études minutieuses sur presque deux ans pour en mesurer les enjeux, définir les contours, évaluer les retombées et maîtriser les impacts sur l'environnement et le vécu quotidien des populations. Le tracé de l'autoroute a également été conçu de façon à assurer la fluidité du, du trafic entre toutes les zones traversées jusqu'à Dakar via l'aéroport international Blaise et le pôle urbain de Djamnadio. Nous avons en outre sécurisé une bande d'extension potentielle de l'autoroute à deux fois trois voies pour tenir compte de la densité future du trafic. Ce projet contribuera ainsi à la création de plusieurs milliers d'emplois pour les jeunes. Il offrira un portefeuille élargi de marché pour les petites et moyennes entreprises sénégalaises et de nouvelles opportunités d'affaires pour le secteur privé national. Enfin, la réalisation de l'autoroute permettra d'effectuer le Magal dans de meilleures conditions de confort et ses propres ressources pour assurer son entretien et garantir sa pérennité avec un tarif de péage qui tiendra dûment compte du pouvoir d'achat des usagers. Je dois préciser que ce projet constitue en réalité la première phase de la route d'interconnexion entre les corridors menant vers l'Est, le Nord et le Sud du pays. Une société de gestion sera créée pour garantir une exploitation basée sur les meilleurs standards internationaux. J'invite tous les Sénégalais notamment les populations bénéficiaires du Baol et du Cayor, à participer dans le capital de cette future société de gestion de l'autoroute. Cette dynamique se poursuivra avec les projets d'autoroute Thiès, Tivawon, Saint-Louis et Mbour, Fatih, Kaulak, dont les études sont en cours notre objectif étant de réaliser 50 km d'autoroute par an au moins à partir de cette année. Dans le même élan, nous allons démarrer dès ce mois de janvier 2015 d'autres projets routiers au titre du plan Sénégal émergent sur les axes Passy-Sokone, Dingirai, Nyoro, Keraïp, Touba, Dara, Linger. En même temps, nous poursuivons les travaux d'extension de la VDN, voie de dégagement nord, entre le 6 e et le Golf Club, et de redimensionnement de l'échangeur du stade Léopold Sédar Senghor pour en faire un ouvrage répondant aux standards modernes. D'autres travaux concernent l'aménagement de la route des Niaï et la construction de routes dans la banlieue de Dakar Là où nos moyens ne permettent pas la réalisation dans l'immédiat de routes goudronnées, nous avons lancé depuis 2013 un programme de pistes rurales dont 1200 km sont déjà réalisés à ce jour, sur un objectif de 4000 km à l'horizon 2017. Le désenclavement passe aussi par la voie maritime. Je suis heureux d'annoncer qu'en février prochain, Inch'Allah, je présiderai la cérémonie de réception officielle des navires Aguen et Djambod qui désormais devront assurer la desserte Dakar-Ziguinchor. L'occasion pour moi de saluer les partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation du Sénégal émergent, parmi lesquels la République populaire de Chine, engagé à nos côtés tant de projets majeurs déjà achevés, en cours et à venir. Je me réjouis de ce partenariat fécond qui connaît un regain d'intérêt depuis ma visite d'État en Chine en février 2014. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine, je vous prie de transmettre au président Xi Jinping, en même temps que mes sincères remerciements, le témoignage de ma grande satisfaction pour la qualité exemplaire de notre coopération. Je voudrais également féliciter tous les services de l'État, dont les efforts conjugués ont rendu possible la conception de ce projet. D'abord, le ministère des Transports, des Infrastructures et du Désenclavement et bien entendu l'agence Agéroute ainsi que tous les autres démembrements de l'État dont le ministère de l'Économie et des Finances. Le pari de la conception étant réussi, il nous reste maintenant lever le défi important de la réalisation. À ce niveau, je voudrais saluer également l'entreprise CRPC et à les de réalisation tout en impliquant au maximum les entreprises sénégalaises dans la construction de cette autoroute. Alors, restons dans le temps de l'action et que le travail continue. Je compte sur la diligence et vous pouvez compter sur mon soutien. loolu mbokk li fi xew tey dafa uh, bu ci yi ndax dañu ñëw fi liggéey Sénégal sumbagul liggéey bu toll noonu ci dayo ak ci koom ndax waxuma la dëgëraayu yoon wi ñu fas yéene def que même autorité yi am ñu si jaar tey ci biir Sénégal nga xam ni booy xool